monsieur le ministre je la que votre réponse sur le consulat général du Sénégal à Milan ne me satisfait guère parce que vous n'avez pas expliqué vous nous avez dit tout simplement que facture loyer yi nga failli au consulat général du Sénégal à Milan d'ici 15 ans le consulat la place serait une appartenance de l'État du Sénégal de l'eau expliqué sur la réponse. Insatisfaite. Tout simplement parce que je suis vécu, je suis immigré, je connais bien le consulat. Namayala Bal, Djenduma, Djendoulouma. Santenanlen Boubar Boubach Lenlen Sant. Parce que c'est des idées que les associations ont eues, que nous avons eues, que nous avons cherché de réaliser. Yalla dimbale nañu bañuy am kër Italie. Merci. Mais buñ ko dé am nañu xol rek norme Je ne suis pas contre le fait d'acheter un consulat je suis dix mille fois pour parce que këru Sénégal dañ ko yàgg a jooy nañ ko ubbi ñëpp bokk mais monsieur le ministre waron nañu xool parce que bërki démb yagul dara bi ñu jëlee consulat bi toxu ci amul sax ñaari weer wër salatu ala nabi nit moo xale moo fa jullootu ci escalier yi loxo bi damm ak loos bi le le préfet de Milan a écrit que ni place bi nekul place adéquate adéquat pour ay xalé fréquenter l'ascenseur est en panne tous les jours ce qui c'est au consulat général du Sénégal à Milan bravo à vous mais vraiment vous deug ngeen avant koy